fête bi de ñu koy dund comme comme tout un bon chrétien c'est la naissance de Jésus de l'enfant Jésus bon feetu xale yi la mais feetu mag ñi la feetu ñëpp la donc vraiment ñu koy dund ak ba neex bo xamné c'est-à-dire bon comme ñu wax ne un un enfant nous est né ben xalé mo juddu xalé bi moy kan moy Jésus donc mbégte la ci ñun ñëpp catholique en tant que catholique même bu dul catholique sax ñëpp mom suñu mbokk musulman yi sax dañ koy dund parce que xalé la du xalé bo xamné catholique mais pour ñëpp la fi nekk ñëpp la ñëwul muy catholique muy musulman donc man maa ngi koy dund ak mbégte bu baax a baax maa samay frère ak sama cousin yi sama frère ñëpp vraiment on est très content ci fête bi tay ñu ko dundé en famille Ça dit dire là tu prépares les enfants il y a l'arbre de Noël il y a les cadeaux il y a les petits trucs les astuces et tout ça on vit ça en famille donc comme tout un chacun ñëpp ci foog naa Noël feetu en famille là. Donc tu es chez toi, tu as tes enfants, tu as ta famille, même tes proches, tu peux les inviter, les habitants et tout. Nous donnons nous là, avec avec Banner. La messe était belle, très belle, très très très très belle. On lui vraiment, ça nous a vraiment touché. Ça nous a vraiment touché parce qu'il a fait un très, une très bonne émission. Parce que déjà, hier, nous on tu sans sous Noël, sans sous naissance de Jésus. Expliquez-nous je pense que tout un chacun sait Noël fête la fête en famille la. fête de Noël c'est une fête qu'on aime. c'est une fête que le Christ vient de naître parmi euh, Joseph et Marie. La fête de Noël c'est une fête pour la fête de famille. Ça se fait en famille. Moi je sens merveilleux à la fête de Noël. Je sens abordable à la fête de Noël. Parce que quand Jésus est venu pour naître, il est venu pour naître, pour venir nous sauver. Franchement, là, on va être fiers. On va être fiers. Après la messe, on le, fait en famille. Comme Jésus et Marie, on l'a fait au Jérusalem. On l'a fêté en famille.